Chers euh, auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce vendredi 23 décembre 2022, le rendez-vous hebdomadaire euh, avec des confrères de la presse qui vous permet donc de comprendre les faits saillants et en marquer l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets qui ont marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont le rejet par la Cour constitutionnelle du Niger euh, le 16 décembre de la loi portant indemnité et avantages alloués aux députés nationaux adoptée par l'Assemblée nationale le 23 novembre 2022. Dans ce forum de la presse, nous nous intéresserons également à la célébration le dimanche 18 décembre du 64e anniversaire de la proclamation de la République euh, du Niger. Enfin, nous terminerons avec la 43e édition du Sabre national de lutte traditionnelle qui se déroule cette année dans la région de Difa. Pour euh, analyser ces différentes euh, actualités, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante, Gary Amadou, journaliste aux journaux La Nation et Mouria, et Abakiari Arimi, journaliste à la radio alternative de Niamey. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Commençons par euh, le premier sujet du forum de la presse euh, de ce soir. Euh, la Cour constitutionnelle du Niger a rejeté dans un arrêt du 16 décembre la loi portant indemnité et avantages alloués aux députés nationaux. L'arrêt stipule que les dispositions de l'article 16 nouveau de la loi modifiant et complétant la loi numéro 12 du 27 juin 2011 portant indemnités et avantages des députés sont contraires aux dispositions de l'article 102 alinéa 2 de la Constitution du 25 novembre 2010. Ainsi, selon l'analyse approfondie de la Cour, ces modifications entraînent une augmentation des indemnités mensuelles de l'ordre de 750 000 francs CFA, soit 9 millions par an pour chacun des 166 députés nationaux siégeant actuellement dans le Parlement. D'où cette euh, conclusion selon laquelle les termes de l'article 102 de la Constitution qui dispose que les traitements indemnités et ou avantages divers accordés au président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des institutions de la République sont déterminés par une loi organique. Ils doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des Nigériens. Fin de citation. Ce sont donc, selon la Cour constitutionnelle, ces dispositions qui ne sont pas respectées dans l'article 16 de la loi. Maïmoun Gado, que faut-il comprendre de ces analyses de la Cour constitutionnelle par rapport euh, justement à cette nouvelle loi portant indemnité et avantages alloués aux députés nationaux Donc, euh, c'est bien normal que la Cour constitutionnelle a, agi en ces termes et pour rendre, en tout cas, en tout cas pour les débouter. Mmh. Et je me dis que loin de les débouter aussi, euh, il faut d'abord euh, regarder dans la situation. nous sommes dans une, quand même une situation précaire, mmh. une situation où aujourd'hui les populations n'ont pas besoin à ce que ceux-là qui sont là, en tout cas pour défendre euh, cette population, qui crée les lois ou bien qui adopte les lois. Mhm. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là, ces mêmes députés, qui aujourd'hui décident d'augmenter sur ceux qu'ils sont en train de percevoir déjà. Mhm. Et je me dis que, en fait, moi, j'étais vraiment étonnée, mhm. puisque moi, je les attendais plutôt euh, dire nous allons prendre une loi. Cette fois-ci, c'est pour véritablement diminuer sur ce que nous sommes en train de prendre, puisque nous sommes dans une situation où vraiment on a besoin euh, de contribuer aussi pour pouvoir aider l'État dans la marche que l'État s'est donnée. Mais voilà, donc euh, c'est moi je me dis que vraiment je tire mon chapeau donc à la Cour constitutionnelle qui a su également relever certaines incohérences et, pour pouvoir débouter ça. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura une autre suite Est-ce qu'ils vont se conformer Est-ce qu'ils vont, de par ce qu'on leur a reproché, encore chercher à, modifier certaines choses pour pouvoir revenir encore à la chasse On ne sait jamais. Mm. Ça peut être aussi d'un côté, et peut-être que le fait de se taire aussi, peut-être c'était, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont faire mm. à leur niveau. Mais tout ce que je sais, je sais que nous sommes dans une situation critique. Le Niger aujourd'hui, tout le monde sait que économiquement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Euh, les gens savent également que nous sommes en situation d'insécurité. Euh, il faut d'abord la contribution de tout un chacun. Et aujourd'hui, il y a des travailleurs qui n'en bénéficient même pas de les indemnités qu'ils se sont octroyées, qu'ils veulent mhm. s'octroyer. Mhm. Il y a aujourd'hui des fonctionnaires nigériens qui n'en ont pas. Aujourd'hui, quand je fais allusion, il y a les contractuels aujourd'hui de l'éducation, pas seulement de l'éducation, mais les contractuels également du secteur de la santé. Mhm. Ce sont quand même deux secteurs où on devrait aujourd'hui, si on me dit, si on me dit qu'on va augmenter euh, sur leur euh, salaire, je ne verrai pas d'inconvénient parce que je sais au moins ce qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de, euh, de faire en sorte d'éduquer nos enfants. Ils sont en train, en tout cas, de prendre soin de nos enfants, de nous-mêmes, dans une situation de santé. Et je me dis qu'aujourd'hui, un contractuel qui a 75 000 francs, et de l'autre côté, l'indemnité seulement téléphonique d'un député, hmm. ils ont mis euh, plus de 100 000. Ou... Il y a trois indemnités. Le tout, ça fait une augmentation de 750 000, 750 par, mois. Donc Ça, c'est l'augmentation 000 par qui mois. A été faite. Mais c'est énorme. Hmm. C'est énorme. Moi, je me dis que <laughs> ils auraient dû réfléchir autrement. Hmm. Ils auraient dû réfléchir pour dire que non, au lieu que nous, on s'octroie ça, peut-être qu'on peut trouver une solution pour pouvoir augmenter ne serait-ce que les 750 000 francs-là, voir dans quelle mesure, aujourd'hui, ce que j'ai dit, les Nigériens moyens qui sont en train de travailler, qui sont en train véritablement de faire en sorte que le Niger va vers le développement. Et ce sont ces gens-là qui sont délaissés aujourd'hui. Et ce n'est pas bon. Ce c'est pas bon. Mhm. C'est ce que vous dites. Il faut rappeler que ces indemnités, c'est d'abord euh, les frais représentatifs de l'exercice euh, qui, dans la loi, passent de 200 000 à 525 000 francs CFA. Les frais de restitution qui passent de 200 000 à 525 000 francs CFA. Et les frais de secrétariat qui passent de 100 000 à 200 000 francs CFA. Ce sont donc les trois principaux tirés que la Cour constitutionnelle a jugés non conformes aux dispositions prévues par la Constitution. Garé Amodou, on se rappelle que cette loi avait été votée à l'unanimité des députés. C'était 151 voix pour, zéro contre, zéro abstention. Qu'est-ce qui peut expliquer euh, ce vote unanime malgré cette euh, iniquité expliquée ou révélée par la Cour constitutionnelle. Oui, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, quand euh, il s'agit pour une corporation euh, d'avoir, en tout cas, de, négocier des avantages, forcément, tout le monde va être d'accord pour que mhm. c'est comme quand un syndicat dit qu'il va exiger la hausse des salaires. Vous n'allez pas trouver un, travailleur, un qui va dire qu'il est contre. Mhm. Ça n'a aucun sens. Hmm. Michel. bien sûr. le député est censé défendre les intérêts de la nation, écoutez-moi, très bien, Michel. Hmm. Euh, il faut bien analyser ce que la Cour constitutionnelle a dit. Hmm. Euh, la Cour constitutionnelle ne trouve pas que ces indemnités-là ne sont pas fondées. Elle dit il faut que l'augmentation que ces indemnités-là, que ça soit conforme, par exemple, à une augmentation du pouvoir d'achat des citoyens moyens. Mhm. C'est ce que ça veut dire. Mhm. C'est tout simplement. Sinon, ce sont des indemnités qui existent dans d'autres législatures. Mhm. Est-ce que vous comprenez Et peut-être à un montant même beaucoup plus élevé. Parce que le député nigérien, je ne suis pas sûr que ce soit le député le mieux payé de la sous-région. Je ne suis pas sûr. Il y, y, a deux analyses à faire. Ça veut dire que l'architecture institutionnelle de notre pays, elle fonctionne très bien. Parce que le fait que l'Assemblée nationale vote une loi et que la Cour constitutionnelle la rejette, ça prouve la vitalité de notre démocratie. Mm. Première analyse. Deuxième analyse, ça veut dire que eh, les, membres de la Cour constitutionnelle sont conscients qu'aujourd'hui, la vie est extrêmement chère, Les gens souffrent. Mm. Mais vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que... ce euh, n'est c'est pas eux qui, c'est pas eux qui partent au marché, c'est pas eux qui partent dans les boutiques pour acheter. Je parle des députés, bien sûr, mais nous qui partons dans les magasins, nous qui partons dans les boutiques, nos femmes qui partent euh, au niveau du marché, elles savent comment est-ce que la vie est extrêmement chère. Alors, dans ces conditions-là, proposer une augmentation sans que le pouvoir d'achat du consommateur ne soit augmenté ou revu à la hausse, sans que le salaire du fonctionnaire n'ait été augmenté, ce serait un peu, mhm. un peu, un peu trop hâtif pour moi. Peut-être qu'il y aura un moment, le jour où, par exemple, le gouvernement va décider que, bon, eh, en fond, étant donné qu'il y a une embellie financière mhm. pour l'État, nous allons augmenter les salaires des fonctionnaires. Catégorie A, le ça, on va augmenter tel pourcent. En ce moment, et on va dire, bon voilà, au niveau de, des prix, des prix de, consommation, des prix de première nécessité, lorsque le citoyen consentira, enfin constatera plutôt mhm. une baisse des prix des produits de première nécessité, en ce moment-là, on va pouvoir penser peut-être que euh, les, députés peuvent ramener ces, mm. indemnités-là, qui, je le dis, existent dans d'autres législatures. Bien sûr, mais ce voilà. que quelqu'un se pose comme question, c'est justement pourquoi les députés n'ont pas eu à prendre ça, à en, prendre compte ça en compte avant d'adopter, puisqu'ils sont censés connaître la situation oui, je sais, je sais, du je sais, Je sais, mais enfin, mm. euh, le, plus important ici aujourd'hui, mm-hmm. le plus important, c'est que la Cour constitutionnelle a pratiquement ramené les choses à, la normale, mm-hmm. n'est-ce pas Et ce n'est pas un désaveu pour les députés euh, euh, mais c'est juste qu'on dit que euh, ce n'est pas le moment. Mhm. En réalité, c'est ça la lecture. Ce n'est pas le moment. En se basant sur bien sûr. le revenu national ce n'est pas le moment. C'est comme mhm. si la Cour dit votre, votre demande, mhm. elle est légitime, mais là, actuellement, là, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez mm. Là, actuellement, ce n'est pas possible. Peut-être dans un an, dans deux ans, mm-hmm. quand la situation va le faire, on va voir. Peut-être qu'ils peuvent ramener. Mm-hmm. Donc, vous comprenez Mais dans les conditions actuelles, là, je vous dis, où les consommateurs sont en train de, de souffrir, si le diable parle à queue, mm-hmm. n'est-ce pas euh, C'était une, demande qui ne passait pas déjà chez les citoyens. Parce que si vous avez vu les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui n'était pas du tout apprécié. Mhm. Et surtout de la part, comme vous l'avez dit, des, en tout cas des élus du peuple. Mhm. Heureusement, j'ai dit la Cour constitutionnelle, je tire mon chapeau à la Cour constitutionnelle. Et c'est ça qu'on veut de la démocratie. Mhm. C'est-à-dire que l'architecture fait, de sorte, fait, fait en sorte que, quand par exemple il y a des choses que et, comment on appelle ça là, euh, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir, si je peux le dire. Mhm. Le législatif peut, être arrêté par euh, le judiciaire ou le législatif ou, euh, le, le, supralégislatif, si je peux l'appeler ainsi. Mhm. Donc c'est ce qui se passe. Mhm. Et donc j'ai dit, moi, c'est les deux enseignements. la bonne santé de notre démocratie, notre architecture institutionnelle qui fonctionne très bien, et le fait que les, les, membres de la Cour constitutionnelle aient en tout cas pris en compte la situation du citoyen moyen. Merci beaucoup. Ce qui est donc euh, prévu dans la Constitution, le rappel, c'est que ces indemnités et avantages doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des Nigériens. C'est ce que dit l'article 102 alinéa deuxième de cette euh, Constitution du 25 novembre 2010. Euh, Arimé Aboukari à quoi faut-il euh, s'attendre euh, dans les prochains jours par rapport euh, à cette loi Bon, moi, je ne m'attends absolument à rien. Mm. en tout cas, je ne pense pas que les députés vont revenir à la charge, mm-hmm. contrairement à Garé, après ces deux aveux, vraiment, ces deux culottés adressés par la Cour constitutionnelle. J'ai dit que déjà, il y a quelque temps, il s'était agi aussi d'un régime de retraite. À un moment, ils se sont accordés des moutons, euh, comme si c'est vraiment ceux qui sont à un mouton près. C'est dire que c'est très bien que la Cour euh, euh, constitutionnelle les arrête vraiment de cette manière, parce que c'est aussi ce à quoi les citoyens s'attendaient. moi, je n'ai pas vu un seul commentaire qui disait que c'était normal. Bien sûr que ailleurs, les députés ont plus, mais ils sont ailleurs. Et euh, ailleurs, les députés, ils ont, vous entendez toujours des postes fictifs créés, parler de postes fictifs créés par des députés mm. qui ont mis leurs femmes, leurs enfants, parce que justement, ces postes sont prévus et les gens essaient un peu euh, de tricher avec ça. Mais nous, notre condition générale, vraiment au niveau du, pays, ne permet pas tout ça. Déjà, ce qu'ils, sont, leur, euh, si on compare au PNB, au produit international brut ou à notre revenu moyen dans ce pays, déjà ce qu'ils perçoivent, c'est extrême pour nous. Parce qu'ils sont payés, semble-t-il, à 50 000 par présence, pour une présence euh, au cours d'une session par jour, c'est déjà beaucoup ça. Parce que 50 000, euh, il faut, euh, en, deux jours, ils ont plus que le salaire déjà des contractuels et qui constitue pratiquement la moitié euh, de la fonction publique aujourd'hui. Oh, donc vraiment, je, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont voté à 100%. 100%. Aucun n'a, peut-être certains par peur des autres, n'ont pas pu s'opposer oui, s'opposer. Mais ce n'est pas normal. Un député, tu n'es pas le député de, tes collègues, mais tu es le député du peuple. Mhm. Tu dois tout de suite t'arrêter et dire que non, moi vraiment, je ne suis pas partant pour ça. Ça veut dire vous pensez Je me rappelle quand ils, devrait d'abord examiner cette situation euh, plus sérieusement, économique du plus pays. Sérieusement. Qui, selon la Cour, il faut le préciser, la Cour a indiqué que le revenu national brut euh, des Nigériens a chuté en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19 et de la production agricole Justement. en 2021. voilà, euh, donc ce n'est pas demain le jour où nos députés vont dire Ah, vraiment, comparé à notre peuple, on perçoit trop, il faut diminuer. Ça, ça ne va pas venir, ça veut dire. Mm. Or, ils doivent agir sur leur propre gains pour pouvoir questionner le train de vie de l'État, le train de vie des autres institutions mm. de l'État. C'est eux qui sont les représentants. Mais qu'est-ce qui a poussé à ça au niveau même du Parlement, selon vous ben, Moi, à mon avis, c'est vraiment euh, l'argent de tout le monde. Hmm. Donc, ils peuvent dépenser. Parce qu'il ne faut pas oublier que les députés font partie des institutions qui ne répondent même pas à la Cour des comptes. C'est grave, ça. Mhm. C'est grave, la Cour de compte, dans, la dernière situation du pays qu'ils ont eu à faire, euh, les députés n'ont pas donné aucune pièce pour justifier les 20 milliards, milliards qu'ils mhm. prennent dans nos caisses. Mhm. Et donc vraiment, j'ai vu dans le Mais la loi, l'article 131 de la Constitution précise que les lois organiques, le règlement intérieur, donc avant leur euh, mise en application, passent euh, au niveau de la Cour constitutionnelle pour la vérification de cette conformité avec la Constitution. C'est ainsi donc que l'exécutif était obligé d'apporter cette loi euh, portant indemnité ah, à des députés euh, à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité. Voilà, mhm. donc euh, eux, ils se sont recroquevillés dans leur corporation, mhm. mais heureusement, l'exécutif a compris que, en fait, ils sont allés un peu au-delà de ce à quoi ils mhm. peuvent s'attendre. Parce que déjà, hein, il faut le dire, ils sont quoi, à 1,5 million les députés Quelque chose comme ça par mois déjà, c'est énorme. Comparé à leur augmentation actuelle, devait faire 9 millions par député. Autrement dit, au moins 1,5 milliard pour l'année. Hmm. Pour, les, 176 Voilà, hmm. mais quand même. Alors qu'on doit même organiser des élections pour compléter même notre législature parce que hmm. les, la diaspora n'a pas encore ses députés et tout. Moi, vraiment, c'est des fantaisies qu'il ne faut pas faire. Contente-toi de ce que vraiment l'État t'a donné, de ce que la nation. Vraiment, vous avez déjà décidé, vous avez augmenté des choses. Il faut s'arrêter. Mhm. Merci beaucoup. Que doivent faire euh, les députés à présent, Moïmoun Diado, pour tourner cette page Mais à présent, ils doivent tourner la page aussi. Mhm. Mais c'est tout. Mhm. Parce que, <laughs> avec tout ce que nous avons cité ici, la cherté de la vie, et vous avez vu. Donc, ça veut dire qu'ils doivent tourner la page et s'atteler à travailler pour la population pour mhm. le peuple nigérien. Parce que le peuple nigérien les a amenés là-bas pour travailler. Mhm. Et quand il y aura des décisions à prendre, ou bien quand il y aura des lois à voter mhm. en faveur peut-être de... Euh, en faveur de, cette population, qui met à l'abri cette population, euh, par contre, euh, qui met à l'abri cette population, je pense que de la même manière qu'ils ont voté cette loi-là, sans problème, ils doivent le faire. Mais discutons et faisons en sorte que ces députés-là comprennent qu'ils ont en tout cas la lourde charge de mener à bien, en tout cas, le train de vie de cette population-là. Mhm. C'est normalement, ils devraient être des interpellateurs. Interpeller l'État par rapport à certaines choses, mhm. par rapport à certaines dépenses, par rapport à certaines euh, exécutions qui ne sont pas conformes, par rapport à des choses où la, population peut se retrouver. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous-même vous octroyer quelque chose où <laughs> ça rend même malade. Quand moi j'entends un député, ceux qu'ils vont toucher euh, comme indemnité, mais ça rend malade. Regarde l'état de nos hôpitaux. Regarde aujourd'hui comment fonctionne. Il n'y a pas assez de médicaments dans certains centres de santé. Hmm on est obligé de payer. On est obligé. On nous parle de gratuité, il n'y a pas de gratuité. Mais si aujourd'hui, chaque député peut aujourd'hui, hmm. en sacrifice, enlever dans son propre salaire ce qu'il est en train de prendre là à la fin du mois, au moins dans sa localité ou bien sa région, aider ne serait-ce qu'un médicament. Mais c'est pas mieux. Tout le monde allait applaudir. Même si c'est dans la construction des classes, mais tout le monde allait applaudir. Mais ça, la personne n'a applaudi. Parce que eux-mêmes, aujourd'hui, s'ils se taisent, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Donc, <laughs> autant me taire que de venir encore parler par rapport à ça. Parce que je suis sûre qu'il y en a ceux que ça, ça, ça, ça les a vraiment touchés du fond du cœur. Mais aujourd'hui, ils se retiennent parce qu'ils ne mm. peuvent pas sortir aujourd'hui. C'est vrai qu'un projet échoue, <laughs> ça un projet échoue, ça fait... Oui. Merci. Un mot, en fait, par mhm. rapport à ça, 9 millions, ça fait pour des fonctionnaires qui sont payés à 500 000, l'année, ils ont 6 millions. Mhm. Eux, ils vont avoir 6 millions plus 3 autres millions, juste en, termes d'augmentation. Mhm. Sincèrement, euh, il faut, quand tu fais les choses, tu te poses qu'est-ce que je fais de plus que l'autre pour être payé autant Tu dois au moins te dire ça. Merci beaucoup. Passons, à, passons, faire en sorte que le gouvernement passons puisse, à autre chose. Puisse augmenter sur le SMIC. Mhm. Merci beaucoup. Passons donc au deuxième euh, sujet du forum euh, de la presse euh, de ce soir. Le Niger a célébré le 18 décembre dernier le 64e anniversaire de sa proclamation en tant que République. Le 17 décembre, le président de la République, dans son message à la nation, à l'occasion justement de cette fête de la République, a fait le point sur l'état de la nation et appelé à une remobilisation autour des valeurs et principes cardinaux de la République que sont la fraternité, le travail pour la consolidation du progrès économique et social, ainsi que la démocratie et l'état de droit, a-t-il souligné. Gary que faut-il retenir de ce message du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de la le République. Point, le, point le plus important pour moi, c'était son appel aux magistrats. Mhm. Quand le président a appelé les magistrats à beaucoup plus de probité et euh, en tout cas à faire en sorte que euh, la lutte contre l'impunité puisse vraiment être euh, vraiment très visible. Parce que moi, j'ai senti dans le discours du président de la République une sorte mhm. de déception en réalité. Parce que quand il appelle les magistrats à plus de probité morale, euh, et, qu'il demande à ceux qu'il y ait beaucoup plus de résultats, mm. c'est pratiquement une critique qu'il fait. Mm. Donc, c'est un constat qu'il fait que, bon, voilà, il y a des magistrats peut-être malhonnêtes. surtout dans le cadre de la lutte contre la corruption. Voilà, la lutte contre la corruption, parce qu'il a, besoin de. de il a besoin, et le président a besoin de voir des résultats. Mhm. Étant donné qu'il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, lui, le président, il ne peut pas attraper les gens et les mettre en prison. Mhm. Mais il demande aux procureurs, enfin, aux, magistrats de faire leur travail. Mhm. Est-ce que vous comprenez C'est ça qu'il demande. Donc, il demande beaucoup plus de résultats parce que, force est de constater que dans le domaine de la lutte contre la corruption, les Nigériens sont pour le moment sur leur pain. Parce que, euh, voilà, on a créé les institutions, la Alcia, on a fait ceci, on a, créé de la. Oui, voilà. mais, mais dans les faits, les gens ne voient pas concrètement ce que ça donne. quoi. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus facile de voler une chèvre et d'aller en prison mm. que de voler un milliard, en fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que celui qui vole une bicyclette, il va en prison. Hein. Mm-hmm. ça, ça traîne pas, c'est rapide. Parce qu'entre le commissariat et puis voilà, il va, il va dormir en tôle. Mm. <laughs> Mais celui qui, qui vole un milliard, bon, <laughs> on va aller doucement, voilà. Euh, la justice est un peu plus lente, vous comprenez Et donc, les citoyens constatent cette sorte de double vitesse de la justice et ce n'est pas bon pour un pays. Et c'est une bombe à retardement. Est-ce que les citoyens n'attendent pas également de lui, le chef de l'État, quelque chose, puisque c'est lui qui est Non, ce c'est pas lui qui attrape les gens. Mhm. Aujourd'hui, Michel, si tu voles quelque chose, c'est pas le président qui va t'attraper. Mhm. C'est le, le, flic qui va t'attraper. C'est la justice qui va te juger c'est pas le président qui va te juger. Mais le président ne peut pas faire quelque chose pour euh, renforcer cette le président, lutte contre la corruption. Le président, il fait ce qu'il fait. Mhm. À travers un message à la nation, il dit vous avez carte blanche. Mhm. C'est ça que ça, veut dire. Vous avez carte blanche. Il dit il n'y a pas de truc, il n'y a pas de distinguo, qui que ce soit. Mhm. C'est le président qui le dit dans son message à la nation. Et il fait ce qui est en son pouvoir. Est-ce que vous comprenez C'est ça, c'est prérogative. Mais le président ne peut pas vous dire Ah non, mais écoutez, j'ai entendu qu'un ministre a fait ça là, il faut aller l'attraper. Ah non, c'est pas son rôle, Michel les choses sont séparées dans une démocratie. Les mm-hmm. choses, c'est pas le président qui attrape les gens. Mm-hmm. Lui, il constate comme tout le monde. Il voit des choses, n'est-ce pas Même s'il y a une affaire, il y a, une, procédure pour transmettre les dossiers au niveau de la justice, à la justice de faire son boulot. Mm-hmm. Voilà. Et il dit maintenant, il dit, voilà, il dit, c'est comme s'il dit que je ne suis pas content. J'ai besoin de résultats. Donc la justice n'a qu'à faire son travail. Elle son travail. C'est l'impression que vous avez. C'est l'impression que ah, Est-ce que vous avez cette même impression je n'ai pas cette même euh, impression parce que mhm. je suis euh, réaliste. Mhm. Parce que le président, il est aussi euh, président du Conseil national de la magistrature. Ah, je, je sais aussi, d'ailleurs, Garé, à la fin de son intervention, il l'a dit, il y a une procédure un mécanisme pour transmettre les dossiers, n'est-ce pas, qu'on trouve euh, euh essentiels, n'est-ce pas, à la justice. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas demain, le jour où un juge euh, va s'autosaisir de la gabégie d'un ministre ou d'un député, de qui, de, par exemple, il faut déjà lever l'immunité avant de faire quoi que ce soit et tout. Donc moi, je pense que oui, le président euh, beaucoup de choses ont changé dans ce pays, je suis entièrement d'accord. Mais euh, il y a encore un pas à franchir. Euh, au lieu de parler, il doit aussi agir. Agir, qu'est-ce qu'il peut faire Agir quand les inspections, que la justice qui par exemple, la soulève des lièvres, n'est-ce pas Ou quand la Cour constitutionnelle soulève des lièvres, n'est-ce pas Ces mhm. dossiers doivent être réglementairement transmis qui de droit, mhm. n'est-ce pas La justice qui va juger, le juge qui va prendre en charge ce dossier, mhm. n'est-ce pas Et euh, protéger ce juge-là, n'est-ce pas, pour qu'il aille jusqu'au bout d'une mhm. procédure. On ne doit pas mettre le pied sur aucun dossier, à mon avis. Voilà, donc je pense que c'est comme ça euh, que, que, ça doit se passer. C'est trop facile de dire que non, je ne suis pas euh, le, président de la République est président du Conseil euh, euh, de, la magistrature, le mm-hmm. président, c'est aussi le premier militaire en chef mm-hmm. de l'armée, ainsi de suite. Mais à chaque fois, on va te dire non, moi je ne suis. Or, il convoque, c'est même toute une cérémonie quand le Conseil se réunit. Mm-hmm. Hein, parce que le président, eux, seuls savent ce qui s'est dit, mais quand même, le président est quand même le premier juge. à mon avis est-ce qu'il y a à ce niveau des actions nécessaires euh, que les Nigériens attendent par rapport, euh, par exemple, à cette euh, problématique de corruption Ça ne marche pas. Je ne pense pas que c'est à travers un discours qu'on doit dire à certaines personnes de faire leur travail. Non. Il a la possibilité de les réunir, de leur dire, franchement, voilà ce que j'attends de vous. Faites votre travail. Et ensuite, nous verrons. Mais si la Cour des comptes a déjà fait ses investigations, la Cour des comptes a donné beaucoup, plein, plein, plein de choses, en tout cas en matière de corruption, en matière de gabégie. La Alcia en a fait également, mais le président de la République s'est saisi en fait de ces dossiers-là, où il a donné des instructions au procureur de la République pour pouvoir 30 dossiers. Euh, euh, euh, mm. il y avait 30 dossiers transmis au procureur de la République, oui, 50, dossiers au président de la République, et les 30 aux différents procureurs. Mm. Moi, je pense que maintenant, comme il veut voir clair, et les Nigériens savent que les Nigériens veulent voir clair, c'est à lui de dire les 30 dossiers que je vous ai donnés, je veux un résultat. Mm. Et le résultat, là, ça ne doit pas prendre du temps il l'a dit, il est quand même le premier magistrat de ce pays. Mhm. Si ça ne va pas, <laughs> personne ne verra le, magistrat qui est en dessus. Mhm. C'est le président de la République. Et les populations ont soif de voir, en tout cas, jusqu'où le président de la République peut aller dans cette situation de corruption. Parce que vous savez, la corruption, elle est encore plus grande que même l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Et c'est la corruption qui a amené aujourd'hui ce pays où aujourd'hui, des simples citoyens ne peuvent même pas avoir trois repas par jour. C'est très difficile. Donc, moi, je pense que en prenant déjà euh, le jour où il a été, en tout cas, élu à la tête de ce pays, mm. il avait pris l'engagement de faire en sorte que les biens publics, détournements et tout, puissent être ramenés dans les caisses de l'État. Mm. Mais maintenant, après deux ans, les Nigériens l'attendent toujours. Donc, un discours où les discours n'intéressent pas trop. Ça veut dire que vous estimez qu'il peut mieux faire, c'est ça Il peut mieux faire, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que les mhm. discours, ce n'est pas les discours aujourd'hui que les Nigériens ont besoin. Les discours, c'est les mêmes discours. mais si on vous a bien compris, il n'y a pas que la lutte contre la corruption, garée globalement par rapport même à la célébration de ce 64e anniversaire. Est-ce qu'on peut dire que ça a été à la hauteur euh, des attentes de euh, tous les Nigériens euh, D'abord, avant d'aborder mhm. l'organisation même de ce truc, je dois dire que je dois le répéter, il y a une séparation de pouvoir au Niger. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau dire, hein, il a beau être le premier magistrat, c'est pas lui qui juge les gens. Vraiment, il, faut que les gens. oui, voilà, il faut que les gens le comprennent. Lui, ce qu'il fait. Bon, voilà, il a déjà fait ce qu'il fait. Il a transmis. Il y a une interaction parfois. Euh, voilà, je suis en train. on, on, parle ici de résultats, c'est-à-dire sur le plan concret. C'est tout ce qu'on a dit tous ici. Mhm. C'est-à-dire que le résultat concret tarde à venir. Et c'est ça lui-même son exaspération, parce que lui, il a transmis le dossier. C'est elle-même qui l'a dit. Mhm. Il a transmis le dossier au niveau de la justice. Parce que lui, s'il ne voulait pas qu'il y ait la lumière sur ces dossiers-là, il mm. n'allait pas les transmettre. C'est lui-même qui les a transmis. C'est lui, il a transmis, la a transmis. Ses rapports avaient déjà été reçus par lui-même. Voilà, lui-même, il a, lui voilà, mm. donc il a, il a, il a donné il était Il appelle. Mm-hmm. Donc à partir de ce moment-là, maintenant, je crois que la balle est dans le camp des magistrats. C'est vrai mm. ce qu'elle dit, qu'au bout du, au bout du compte, c'est lui qu'on va voir. Mm-hmm. On va dire, ah oui, ton mandat sur ton mandat, la lutte contre l'impunité, elle a échoué. Et c'est pourquoi j'ai dit, il est, il est de la responsabilité des magistrats. Surtout maintenant que mm-hmm. le, le, le Conseil national de la magistrature, qui est le cadre dans lequel justement on discute de ces choses-là. on vous avez a bien compris. ça veut dire les, que textes, du Conseil. Non, les textes que vous estimez que l'exécutif n'est pas à la base non, de Non, c'est même, pas ça, c'est même pas ça. Il faut bien comprendre que le cadre législatif, même mhm. le Conseil national de la magistrature, les textes sont en train d'être modifiés pour qu'un dossier, par mhm. exemple, un juge qui est à la charge d'un dossier qui ne soit pas sous étude d'affectation, ils sont en train de modifier les mhm. textes. Donc maintenant, concernant l'organisation, l'organisation, moi, pour moi, euh, euh, euh, honnêtement, je n'ai pas cru que il allait avoir la fête du 18 décembre. Mhm. Et je vais vous donner un exemple très précis. Parce que moi, je partais vers l'aéroport. Quand j'ai vu un jalonnement, j'ai dit, mais c'est le président qui voit, On dit non. Il y a un chef d'État qui vient. J'ai dit, il y a un sommet. Mhm. On me dit, non, non, c'est le 18 décembre. Mais pourquoi Parce que j'ai comme eu l'impression que c'est comme si c'est une organisation à la hâte qu'on a faite c'est comme si on n'avait pas prévu de, fêter cette. Je ne sais pas, hein, c'est l'impression n'y a pas eu de défilé. Ah, il n'y a pas eu de défilé. Je n'ai pas senti. Parce avant, c'était une fête tournante, il faut le rappeler. La le président a dit. Oui, mais c'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça le problème. La principale critique que je peux émettre, c'est que la fête de la République, là, mhm. elle ne doit pas être quelque chose qui, passe inaperçu. Parce que même dans les médias, on doit annoncer que, voilà, elle se prépare. Mhm. D'habitude, nous, c'est des défilés militaires qu'on voit. Mhm. Mais je ne sais pas s'il y a eu des défilés. Il n'y a, pas eu de défilé, justement, cette voilà. année. Mais attention. Il y a eu des eh, décorations à des eh, écoles eh, qui ont et ce que j'ai dit là, au développement socio-économique. Il, faut ramener, mhm. il faut ramener la fête du 10 décembre à son naissance qu'on connaît. Même si on ne fait pas les fêtes tournantes, mhm. la fête de la République, c'est quand même un moment solennel. Mhm. C'est-à-dire qu'une semaine avant, sur les zones de télé Sahel, on annonce, voilà, euh, il y aura ceci, ça. Et puis on voit les. les on les, mettait même jour j'ai moins Les défilés, les défilés mm. militaires, là, ce pas des trucs qui sont euh, à négliger. Mm. Parce que ça permet aux gens euh, de retrouver la fierté dans mm. leur armée. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas un truc banal hein, que les gens vous pensez que ça coûte de l'argent. Non, non, non, non, non. Il n'y a pas quelque chose qu'on organise qui ne coûte pas de l'argent. Donc, moi, pour moi, la prochaine édition de la fête tournante, d'abord, moi, je voudrais que qu'on revienne aux, fêtes tournantes dans les régions, même si on ne construit pas des infrastructures. Mm. Mais le principe de la fête, là, de la célébration, de, ce, de, retrouvailles autour des idéaux, des idéaux de la République, mm-hmm. ça, il faut le maintenir. Merci beaucoup un mot, une analyse euh, par rapport euh, à l'aspect organisation même de la fête. la sobriété, mhm. ça c'est sûr. Mhm. Euh, j'ai aimé. La sobriété, ça veut dire qu'il faut éviter de faire trop de dépenses. Trop de dépenses, mhm. oublier d'où est-ce qu'on vient, dans quoi on se trouve, c'est pas une bonne chose. Et moi j'aime bien. Oui, c'est le jour où notre l'anniversaire du jour où notre notre République a été proclamée. C'est une très bonne chose. C'est bon de rappeler ça aux plus jeunes, euh, euh, de faire monter le drapeau, euh, qu'on joue un peu l'hymne national. Tout ça, c'est très bien. Mais, à mon, à mon sens, il faut réimaginer. Mm-hmm. Il faut vraiment penser en quoi cette fête-là peut être jumelée avec quelque chose de festif, mm-hmm. mais qui aussi sert concrètement à quelque chose, dans la promotion de notre culture, par exemple, dans la promotion de notre sport, par exemple, dans la promotion de notre jeunesse, par exemple. Mais vraiment, il faut faire quelque chose de petit et bien. mais Diado, rapidement. Oui, oui, en fait, ce que, je voudrais, ce que je voudrais dire. Euh, en une poignée pourquoi, ne pas, mhm. en tout cas, euh, imaginer comme il a dit, puisque mhm. quand on, on, fête le 3 août, on dit tout de suite la fête de l'arbre. Est-ce que vous voyez Donc, dans ce cas, quand on fait, 18 décembre, pourquoi ne pas créer les conditions d'avoir quelque chose également à faire mhm. le jour-là C'est juste ce que je voulais dire. Mhm. C'est que Aujourd'hui, c'est vrai, les défilés nous manquent trop, mais il faut tenir compte également que nous sommes dans une situation d'insécurité. Mhm. Et aujourd'hui, nous avons nos armées qui sont sur le front. Et, et véritablement, moi, je ne vois pas que c'est... Le moment n'est pas en tout cas hein. propice mm-hmm. pour faire un défilé militaire et, et tout. Merci. On voit bien qu'il y a une divergence de points de vue. On va tourner cette euh, page et nous terminons avec euh, du sport pour euh, clore. Et c'est pour parler de cette 43e euh, édition du sabre national de lutte traditionnelle qui débute ce vendredi à Difa. Rappelons que l'une des particularités de cette 43e édition du sabre national, c'est qu'elle n'aura pas lieu à l'arène de lutte traditionnelle, mais au stade régional de Difa. Arimi remis Quels sont les objectifs visés à travers l'organisation de ce grand rendez-vous euh, mm-hmm pour euh, augmenter la capacité d'accueil. Mhm. N'est-ce pas Le stade, c'est beaucoup plus spacieux, c'est beaucoup mhm. plus grand, mhm. même si ce n'est pas très adapté, euh, bien sûr, euh, pour le spectateur qui sera d'un côté ou l'autre. Il y a ça, mais aussi, je crois que c'est pour des mesures de sécurité, Parce qu'à côté de l'arène, il y a un marché. Voilà, il y a un marché. il y a trop de va-et-vient. Voilà. Mais mhm. bon, euh, moi je pense que ça, c'est plutôt l'autre aspect, mhm. parce que c'est l'un de nos sports rois. Mhm. Moi je pense que c'est le football qui est le sport, le sport roi, mais j'adhère à ce que beaucoup disent que c'est notre sport euh, roi, la lutte. Officiellement, la lutte euh, traditionnelle est le sport roi. et donc, il faut se positionner pour faire venir beaucoup de monde, et beaucoup de jeunes à suivre cette compétition importante qui nous tient en haleine pendant 10 euh, jours. Mhm. C'est comme pour la, comme Coupe du Monde pour les autres. Voilà, mhm. ça nous permet d'oublier certaines choses. Mhm. Ça met tout le monde euh, d'accord euh, sur une activité au moins. Et donc, c'est une très bonne chose. Et je pense que nos stades doivent pouvoir accueillir, parce que au Sénégal, c'est au stade qu'on fait, puisque c'est beaucoup de monde qui ça mobilise. Merci beaucoup, voilà. Ogiado. Il faut rappeler que le thème choisi pour cette 43e édition du Sabre national euh, est le même que celui de l'année passée. Ce thème, c'est Vivre ensemble, nous sommes une famille, un thème qui appelle à la promotion de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Est-ce que la lutte contribue aujourd'hui à ce renforcement de la cohésion sociale au Niger. Mais évidemment que mm. la lutte contribue à cette cohésion sociale. Mm-hmm. Parce que quand vous, on fait euh, la lutte, la lutte cette année, c'est Adifa. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup qui vont quitter de, de par les autres régions pour se rendre à Diffa Il y a 10 litres par région, ça fait les 80 Donc, ça veut dire que c'est vraiment un moment de retrouvailles. Un grand moment de brassage. De brassage, mhm. de culture. Et c'est ça, en fait. Celui qui a choisi le thème de l'année passée euh, a, bien fait de garder mhm. le même thème. Vivre ensemble. Vivre nous ensemble, nous sommes une famille. Mhm. Et véritablement, connaissant déjà euh, sur quoi euh, aujourd'hui est confronté, je pense que le message c'est vraiment un bon message qui a été, en mhm. tout cas qui vient d'être euh, passé. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on parle du sport roi la lutte traditionnelle. Mm. Mais il faut aussi penser à aller vers la modernisation. Mm. C'est très important. Parce mm. que quand je regarde, ici, on parle de sport, le sport roi. Mais quand vous partez, par exemple, au Sénégal, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'ils se donnent la peine mm-hmm. aujourd'hui Quand la lutte traditionnelle finit, mm-hmm. tout le monde oublie mm-hmm. le sport roi. Et tout le monde oublie les lutteurs. Les lutteurs même ne sont pas dans des conditions. Il faut, revoir tout cela. Merci beaucoup. Il faut revoir tout cela. Il faut créer des emplois, pourquoi pas, à ces lutteurs-là. Le vainqueur la possibilité de au moins d'amener certaines, de faire certaines activités. Ah Il faut mhm. prendre l'exemple au niveau donc des, lutteurs de Guinée, mhm. la lutte en Guinée, la lutte ici au Sénégal. Mais mhm. pourquoi ici au Niger, on dit que c'est la lutte, euh, c'est notre sport roi, mais moi, je, ne suis pas totalement convaincu que c'est vraiment, nous prenons ça au sérieux pour dire que c'est euh, le sport roi ici. Il faut donc prendre cette lutte euh, au sérieux. Gary Amoudou, quelles sont aujourd'hui les vraies attentes des Nigériens par rapport euh, justement à cette 43e édition du sabre national qui est suivi de près, qui donne vraiment une grande ambiance sur l'ensemble du pays, on a l'impression. Je pense que mm. moi, je vais être un peu le, le gars qui va le rabat mm. non, non, non, c'est clair que je vais être le rabat parce que <laughs> l'idée selon laquelle... Euh, la lutte traditionnelle est un facteur de cohésion. Mm-hmm. C'était peut-être un facteur de cohésion. Mais aujourd'hui, la lutte, mm-hmm. avec toutes les querelles que je vois. Mm-hmm. Ça, c'est l'aspect organisationnel. Non, non, même pas ça. Le problème, c'est que cette régionalisation des équipes-là, pour moi, c'est un danger pour ce pays-là. On a vu ce que ça a donné lors de l'organisation de ce championnat à Niamey, où il y a eu quelques années. Il y a quelques années. Et on a vu ce que ça donne. Non, au Sénégal, là dont elle parle là, mhm. c'est le système des écuries. Mhm. Il y a des écuries de lutteurs, comme les écuries de, chevaux. Il y a des écuries de lutteurs. C'est pas l'histoire de, euh, oui, euh, le champion lutte, l'équipe de chess, l'équipe de. Ah non, c'est pas comme ça. Mhm. Cette régionalisation de la, des équipes là, je vous assure, si on n'y met pas fin, un jour il y aura une catastrophe. Non seulement dans l'arène, dans la ville, mais on ne sait même pas où ça peut s'arrêter. C'est très dangereux. C'est ça en fait. Faites attention, c'est très dangereux. Merci, mais est-ce que ça veut dire que vous pensez que ça contribue à créer un esprit euh, de régionalisme ou bien c'est quoi le problème en réalité Il y a déjà quelque chose qui mhm. met les Nigériens ensemble pendant euh, un mois. Dix jours. Pendant dix jours. Voilà. Et ça, c'est déjà acquis. Donc le message de solidarité nationale, machin, ça, c'est dépassé. Faisons de notre Mmh. football, de notre euh, lutte traditionnelle, un véritable sport moderne mmh. qui nourrit son homme, mmh. qui se pratique tout le long de l'année. C'est de cela que nous avons besoin. Aujourd'hui, les lutteurs sénégalais te font des combats de 100 millions. 100 millions, que tu tombes ou que tu gagnes, tu vas gagner à peu près ce montant. N'est-ce pas Voilà, ce n'est pas. Voilà, je crée mon club comme en football, n'est-ce pas Et les gens adhèrent n'est-ce pas, j'ai mes conditions de paiement et tout et tout. Donc le président a parlé dans son discours vous de pas à cette euh, vision d'avoir des lutteurs par région comme Écoute, le moi j'ai eu ce discours avec des hauts cadres du, ministère mhm. il y a 20 ans, mhm. n'est-ce pas Et je leur ai dit que ça va à la mort de notre sport roi mhm. si ça ne bouge pas. Et malheureusement, ça ne bouge pas. C'est je dirais que c'est une compétition organisée par le ministère de sport Tant qu'il y a une fédération, un président de fédération qui veut laver la tête, lever la tête tout de suite, il est décapité. Il faut rappeler que nous avons quand même, euh, en dehors du ministère en charge euh, des Sports, nous avons une fédération qui est en charge euh, l'organisation de la lutte traditionnelle. C'est la fédération nigérienne de lutte. Et il y a des rencontres, il y a des analyses avant les prises de décision. On n'a plus de, on a plus de temps malheureusement. Euh, aujourd'hui, mhm. regardez dans quel état se trouvent les lutteurs. Mais si vous en avez parlé, nous allons terminer. Il faut rappeler que le champion, en tout cas, de la lutte traditionnelle de l'année passée, qui avait donc euh, été organisé à Niamey, c'était donc euh, Issa Isaka hein. euh, de la région de Dosso. On attend donc euh, de voir d'ici 10 jours puisque ça va jusqu'au 1er janvier 2023 qui sera donc euh, le prochain roi des arènes de la lutte traditionnelle au Niger que le meilleur gagne. Merci beaucoup et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Maïmoune Gado, elle est journaliste indépendante, Gare Amadou, journaliste au journaux La Nation et Mouria, et Abkiari Arimi, journaliste à la radio alternative de Niamey. Merci à vous, chers confrères, à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Issa Lawali. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.